on est, on est dans un travail terrible. Je suis très touché aussi. C'est quelqu'un avec qui je suis très guéri. Donc, euh, s'il vous plaît, laissez-moi. Il y a eu deux morts en même temps. Donc, euh, laissez-moi juste après.